Euh, j'adore être mariée. j'adore ça, parce que c'est que je jigéen. Mhm. Euh, su ci je dama euh, ça veut dire que si ce n'est pas avec mon mari. ça veut dire may suis sama ni moko wara ça veut dire que, ma xarit sama ça veut dire que je je le fais damay je suis et loolu mooy taaru gi tey aujourd'hui tey euh, être célibataire euh, j'aime pas trop Mais moi, parce que lol, n'est pas Sidi. <laughs> célibataire <laughs> voilà donc neexul mais j'adore j'adore être mariée vraiment j'adore nekk comme sama jëkkër du coup di et après c'est sëy moom comme li may wax rek euh, yàlla moo yor quoi tu peux tout faire def pour le voir def et tout et après ça ne marche pas et man ci sama gis-gis soo essayer, essayé plusieurs fois ça ne marche pas autant partenaire ngeen kittan yéen ñaar ci ay ci mu rafet quoi